merci, comme vous avez dit. Mhm. Mais je pense que nous ne sommes pas encore finis parce que on doit jouer notre match contre la Tunisie demain. Oui, la Tunisie est une très bonne équipe et nous l'avons bien préparée. Nous avons eu la chance de jouer deux matchs amicaux chez eux. Ils n'ont pas volé leur qualification. Mais c'est un match à élimination directe. En tout cas, nous, nous avons un objectif. En tout cas, nous ferons tout notre possible. Nous ferons tout notre possible pour essayer de gagner ce match. parce que notre objectif, c'est d'aller le plus loin, de gagner le trophée. Donc pour gagner, il faut obligatoirement gagner ce match. Les joueurs sont bien préparés. Mhm. Pour, pour jouer et gagner, Inch'Allah. je pense que nous avons fait la préparation depuis Dakar. On s'est préparé pour jouer contre toutes les équipes. Parce qu'on est venu ici avec des objectifs intermédiaires. Le premier, c'était de se qualifier pour la Coupe du Monde. Le deuxième, c'est pour essayer de remporter le trophée. La Tunisie est une très bonne équipe. Ils ont de très bons joueurs. Nous avons eu la chance de les rencontrer deux fois à Tunis. Donc à peu près, on a une idée sur cette équipe. Mais comme on dit, nous, en tout cas, on va rester concentrés. Parce que nous allons jouer un match à élimination directe. Nous allons faire, nous essayerons de faire un match parfait pour, pour essayer de gagner. Parce qu'on n'a pas mille solutions, on a une seule solution, c'est gagner. Les joueurs sont bien préparés, les joueurs sont très bien préparés pour ça. Ils sont conscients de l'enjeu. Je suis motivé dès le premier jour que j'ai pris l'équipe. <laughs> Moi, je suis motivé. Quand on prie une équipe, une sélection comme une sélection de l'équipe nationale du Sénégal actuellement, on est obligé d'avoir des ambitions. Mais avec beaucoup d'humilité, nous allons respecter notre adversaire. Et se concentrer sur le match essayer de gagner ce match. Marquer un but, marquer un but, score one goal. Non, non, non, je n'ai pas dit, j'ai marqué un but déjà. Marquer un but ou marquer deux buts ou marquer trois buts, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de gagner. C'est très important job he's doing. Inshallah. Merci. Euh, Non, non, non, non, non, pas encore. Pas, loin, loin de réussir le tournoi. Non, pas encore. On est loin de réussir notre tournoi. On avait deux objectifs. Le premier, nous l'avons atteint. Mais il reste le deuxième. Et tout le monde sait que le deuxième, il n'y a pas une solution, Il y a une solution, c'est la coupe qui est devant nous. Donc il faut qu'on ait le boulot. Comme l'a dit le jeune, il faut rester concentré, focus sur le match déjà qui est là, la Tunisie essayer de gagner ce match, ensuite pour penser au titre. En tout cas, nous, nous avons deux objectifs. Le premier a été Alhamdulillah, mais il reste encore un objectif à atteindre, Inch'Allah. Et on est conscient de ça. En tout cas, on va avoir beaucoup d'humilité et on va rester concentré sur le match contre la Tunisie. Et nous ferons tout notre maximum, Inch'Allah, pour essayer de gagner ce match. Inch'Allah. Sadio, on discute chaque jour au téléphone. Koulibaly, tous les autres, quand même, ils nous envoient des messages forts. Et ils soutiennent l'équipe vraiment à 250%. Mhm. On les sent vraiment on les sent vraiment. Ouais, chaque fois, on, Sadio, lui, on s'appelle souvent, ou bien on parle souvent au téléphone. On est sur les champs. Koulibaly aussi, c'est la même chose. Ils soutiennent les gosses à 250%. Voilà. dañuy dolli les sentir ba pare parce que nous, ñu Sénégal dañu amoon ñaari objectif intermédiaire moi bi si njëkk mooy qualifier coupe du monde ben bi stop moi mooy dem gagner ji remporter ji titre bi trophée bi je pense que li nga xam ne loolu lañ doon ñaan yàlla bi si njëkk qualifier coupe du monde waaye def na beneen objectif mooy gagner titre bi mais loolu aussi pour mun am da ngay concentré wu sa match bi nga xam ne ngay joué contre la Tunisie nga gagné ko soo ko gagné nag nga dem final boo demee final nga mën a wax coupe pour le moment on est concentré sur le match contre la Tunisie parce que amul mille solution benn solution mooy am dañoo bëgg gagner dañuy ñaan Sénégalais yëpp ñu ñaanal ñu jàppale ñu booy liggéey nañ ko ils sont conscients ils sont concentrés xam nañu lu leen xaar ñun staff bi xam nañu lu ñuy xaar en tout cas nous ferons tout notre maximum def lépp lu nga xam ne moo ñu war moo ñu war

bu subaa incha allah ci kàttanu yàlla ñu def li nga xam ne loolu la ñu war a def pour géem a gagné match bi nga xam ne moo ñu yóbbu final pour xalaat titre bi nga xamante ne moom la ñu bëgg mooy premier titre Sénégal en petite catégorie incha allahu taala. objectif bi mooy comme ni ma ko waxoon rek instant moom alhamdulilah réussir nañ suñu premier objectif mooy qualifier si coupe du monde bi mais beneen bi mooy ki jël trophée bi incha allah mais pour loolu faa ñuy franchir ay étape mooy étape bi mooy Tunisie incha allah donc match euh, Tunisie faa ko bu baax te jëlee ko au sérieux bien vrai que joué nañ ak ñom ay deux matchs mais match yëpp duñ niroo bi beneen contexte la moy match éliminatoire té match éliminatoire amul benen issue pour le gagné rek inshallah allah boy booy ils sont conscients que match bi match c'est un match à gagner donc inshallah on va être concentré pour gagner match bi. bon lolu dégg ko rek motivation la ni bo gagner trophée bi di nga dugg ci histoire eh, té ak âge ma am 20 ans donc euh, loolu lu bëri la si man mais CHAN bi moom pour l' instant fàtte naa ko man si comment ay concentré aussi CAN bi te sama bëgg moom mooy jël trophée bi incha allah te incha allah on va le faire parce que ak group bu ñu yor nii booy yëpp ñëpp bëgg nañ gagné te booy yëpp bëgg nañ jël coupe bi yóbbu ko Sénégal parce que yaakaar naa ne instant moom mooy suñu objectif te incha allah nañ gagné soobee